Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous propose des analyses sur des faits importants et a marqué l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères de la presse de Niamey. Au menu du numéro de ce soir, nous discuterons d'abord de l'an 1 au pouvoir du président de la République, Mohamed Bazoum. Ensuite, nous parlerons de l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Enfin, nous terminerons avec ce déplacement forcé de plus de 4000 personnes dans la région de Difa, mi-février-mars, portant à 18 450 le nombre de personnes en déplacement forcé depuis le début de l'année 2022 ainsi que des quelques 17 677 euh, personnes, en majorité des retournés nigériens et des réfugiés maliens qui se sont installés donc euh, en République du Niger suite euh, aux tensions entre des groupes armés non étatiques et les forces de sécurité maliennes en République du Mali. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Hussein journaliste indépendant, Elhaji mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Comme annoncé, nous débutons par l'an 1 au pouvoir du président de la République Mohamed Bazoum qui a officiellement prêté serment le 2 avril 2021, succédant ainsi à l'ancien président de la République Isoufou Mohamedou. Quel bilan faut-il tirer de cette première année de mise en œuvre du programme de la Renaissance Act 3 Hussein Je ne sais pas ce que je vais vous dire. À partir du moment où le concerné même n'a pas dressé un bilan en mhm. tant que tel le, 2 avril dernier, mhm. n'est-ce pas, comme on a pu le constater. Sur le site du gouvernement, on voit quand même euh, des bilans, des chiffres. Vous parlez sites, mhm. excusez-moi Michel, c'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet. Il y a les gens aujourd'hui, même le téléphone simple là pour appeler, ils n'ont pas accès. En matière de communication, moi, je pense qu'il ne faut pas aller. C'est vrai, il n'a pas eu à livrer un message bilan. oui, bien sûr, c'est à ça que les Nigériens sont habitués. Mhm. parce qu'on a suivi quand même euh, cette habitude avec Issoufou, justement. Oui, tout à Où il lui arrivait de faire un message à l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. C'est mhm. important de pouvoir le dire parce que les gens ont tendance à penser que, bon, L'Internet, là, c'est répandu. Mhm. Même ceux qui sont dans les grandes villes, mhm. souvent, ce n'est pas toujours évident qu'ils aient accès. Il n'y a donc pas eu suffisamment de communication. Il mais pas eu... non. Selon vous, quelle analyse faut-il faire à ce niveau de cette première année de mise en œuvre du programme de la on Renaissance faire qu'à partir un peu de ce qu'on a pu observer. parce mhm. que Parce qu'on aurait aimé voir un bilan, comme je l'ai dit, ce qui se fait traditionnellement, où il vient, il expose ce qui a pu être réalisé, ce qui n'a pas pu être réalisé en cours de quelles ont été les contraintes et tout et tout, concernant un peu ses priorités, parce qu'il a annoncé un certain nombre de mhm, priorités. Mhm. Et parmi ces priorités, on peut citer notamment euh, la, question sécuritaire, n'est-ce pas mhm. Lutte contre euh, un peu les groupes djihadistes et terroristes qui, nous empêchent de dormir depuis pratiquement euh, la décennie, comment vais-je dire, 2010, précisément à partir de 2015 sur ce plan, qu'est-ce qu'on peut retenir personnellement Bon, je retiens que contrairement à son prédécesseur, c'est qu'il euh, fait beaucoup plus preuve d'audace parce qu'il a pu faire le terrain, il a pu amener comment derrière des populations qui ont été obligées de quitter leur terroir, il a pu les ramener. En tout cas, personnellement, il a fait le déplacement non seulement de la région de Difa de Tilabéi, de Maradi également, ça, c'est quand même euh, euh, quelque chose de, qu'on peut retenir de positif comme actif à son, à, son niveau. Mmh. Et du point de vue également, comme on veut dire, euh, de, la conduite de la lutte aussi, on peut considérer que bon, les choses ont un peu changé quand il est là parce que on a assister à une académie, Bon, c'est des académies vraiment relatives. Hein. L'autre aspect que je peux retenir maintenant pour revenir aux acteurs sociaux, parce qu'on est toujours dans le conflit, on n'est mhm. pas encore arrivé à éradiquer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Maintenant, l'autre aspect qu'on peut retenir, c'est que, bon, du point de vue de son comportement, contrairement à son prédécesseur, c'est qu'il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus, comment vais-je dire, euh, entreprenant. Il va vers les acteurs pour savoir. quel est le, de dialogue. Voilà, le dialogue. Mhm. C'est-à-dire, il n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Il a rencontré pratiquement toutes les corporations les syndicats, les enseignants, je veux dire les organisations de la société civile, mhm. pratiquement toutes les corporations pour poser les débats et puis voir dans quelle mesure la collaboration. Ça, c'est un atout, mhm. c'est quelque chose de positif qu'on peut retenir à son actif. Du point de vue comportemental, pour me résumer, mhm. parce que sur le plan concret, il n'y a pas encore grand-chose au niveau de l'école, bon, il y a eu des annonces fortes, notamment la création de ces internats et tout et tout. À partir d'un seul internat qui a été créé, avons des réformes au niveau de l'enseignement Oui, bon, tout, ça. là, c'est des réformes, c'est des annonces fortes, c'est des choses qui sont mhm. en cours. Il faut attendre le résultat. Merci beaucoup. Il faut rappeler. Peut-être à mhm. partir de l'année prochaine, on peut essayer d'évaluer parce que ça, on peut considérer qu'il est mhm. déjà à mi-mandat. Et ça, on peut permettre de dire, voilà, mhm. sur ce qu'il a pris comme engagement, on a vu un peu. Lui-même, il a expliqué pour certaines réformes, les résultats, c'est au-delà de 5 ans. Bien évidemment, moi, je je les fais pas, selon Il y a des domaines dans lesquels moi, je ne me fais pas d'illusion. Dans l'éducation, où pratiquement tout est à terre, il ne faut pas s'attendre à ce que, comme par un coup de baguette magique, les mhm. choses changent. Ça va mettre du temps, parce que ça a mis du temps mhm. pour se dégrader et ça va mettre du temps pour qu'on puisse restaurer un peu l'image de l'école. Il a eu le d'ailleurs lorsqu'il était en visite au niveau de l'école des instituteurs. Merci beaucoup. Il faut rappeler justement que ce programme quinquennal ambitieux du président de la République a six domaines de gouvernance, à savoir la gouvernance euh, sécuritaire que vous avez abordée, la gouvernance politique, la gouvernance juridique et judiciaire, la gouvernance euh, économique, la gouvernance administrative, mais aussi la gouvernance euh, locale. Ousmane Sidikou, quels sont les secteurs où on constate des avancées et ceux qui nécessitent plus d'action pour mieux faire euh, avancer le Niger euh, Merci Michel. au risque de me répéter, il faut lui reconnaître que au moins sous son magistère, le palais présidentiel mhm. était ouvert vraiment à, aux différentes couches socio-professionnelles, mhm. chose je ne sais pas comment, inimaginable euh, sous l'ère de son prédécesseur. C'est déjà une bonne chose. Sous l'ère euh, Issoufou, on avait constaté quand même cette ouverture avec notamment ce mois béni de Ramadan. Non, c'était des ruptures collectives. voilà, ça, vraiment... c'était vraiment avec Issoufou. Non, les ruptures collectives. Vous là, on pas même, Même, à son mhm. temps, vers la fin, euh, voyez-vous, mhm. il y a ça fait vraiment pas l'objet, ça ne mhm. suscite pas vraiment un, engouement. Ce qu'il faut retenir, honnêtement parlant, mhm. euh, beaucoup de choses ont été euh, annoncées. Mhm. Euh, certaines choses sont en cours de réalisation. Attendons de voir, mais là où moi je reste sur ma fin, où les lignes n'ont pratiquement pas bougé, c'est au niveau de la lutte contre l'impunité. Mm. Aujourd'hui, euh, il y a combien de scandales qui jusque-là restent impunis. Mm. Donc on sent que euh, c'est comme s'il n'a pas les coups franches. Euh, mm. pour agir. Beaucoup diront que non, c'est partant du principe de la séparation des pouvoirs. Moi, je me dis que c'est un prétexte trop léger. Mais tout de même, tout de même, les lignes vraiment ont bougé, notamment sur le plan sécuritaire. Franchement, le fait d'aller personnellement sur le terrain, il a été à Anzuru, il a, été à Difa, à mhm. Baroua, à Maradi. Vraiment, c'est c'était c'est une chose à apprécier. Mhm. En tout cas, de mon point de vue, mhm. il parle aux populations. Il n'a cessé de vraiment euh, tabler sur la collaboration. Euh, donc vraiment, c'est une très bonne chose. Moi, je, l'encourage dans, ce sens. Mais toujours est-il qu'il faudrait que euh, les, les, les, dispositions soient mises à, euh, le dispositif soit mis vraiment comme cela se doit pour que euh, ce, ce, ce, ce, problème sécuritaire qui n'a assez duré, à défaut de l'éradiquer quand même, euh, puisse connaître vraiment un donnement Donc retenons que vraiment pour l'ensemble, honnêtement parlant, les lignes ont bougé dans certains secteurs. Par contre, dans d'autres, notamment celui de la gouvernance. Et moi, je reste vraiment sur, ma fin. Merci beaucoup, Ousmane Sidoukou. Alors, Elhaj Mohamedou Suleiman, que doit faire le président de la République afin que ce programme de la Renaissance Acte 3, dont le coût de mise en œuvre est estimé à 13 800 milliards de francs CFA, réponde véritablement aux vraies aspirations du peuple nigérien. Euh, moi, pour me faire une idée un petit peu de ce que pourrait être le bilan du président Bazoum, euh, je me suis permis de lire son discours d'investiture parce que c'est là effectivement qu'on peut voir les, engagements. Mhm. Euh, où on pourrait véritablement apprécier euh, donc, euh, la référence immédiate, en tout cas, ce discours-là d'investiture. Il y a le discours d'investiture, il, a, décliné donc mais également le programme même en tant que tel, puisque c'est le programme, il qu'il a présenté aux électeurs. Justement, justement. Mhm. donc, à travers ce, discours, on va voir effectivement, il a décliné des priorités. Mhm. On l'a dit, la sécurité, l'éducation, euh, la santé, en tout cas, tout ce secteur-là, en tout cas, on peut quand même euh, être euh, accepté, en tout cas, l'idée que, franchement, au niveau de la sécurité, on sent cette volonté vraiment de faire bouger les lignes. Mhm. Il a vraiment fait des choses qui ont impressionné les Nigériens. Le fait d'aller sur les théâtres. On a malheureusement toujours des attaques dans le Justement, mais euh, toujours le, le, fait de, faire cette proximité avec euh, les populations, euh, vous avez Adifa par exemple, il est allé vraiment ramener les populations déplacées à Barois aujourd'hui mhm. et ces gens continuent vraiment. On a pensé que c'était une aventure, mais on a assuré la sécurité. Les gens continuent à rester dans leur village. que ce soit à Lanzuru, à Bani Bongo, tout, ça, tout cela en tout cas, il, il a dit qu'il est allé à Bani Bongo à une, épreuve que. Et c'est là il a dit justement la situation à. Ce qui m'empêche de dormir, c'est la situation à, à Tilaberi. Mhm. Et je réfléchis euh, beaucoup. Donc on sent euh, qu'il a vraiment euh, une volonté réelle, franchement, de découdre avec. Euh, cette, situation et peut-être que la promesse sur, quoi on compte c'est sa commande du matériel de, guerre donc au niveau donc de, la Turquie on voudrait bien que ça, ça arrive. Euh, en tout cas, euh, on a vu récemment, il est allé s'assurer que c'est en bonne voie. en ah, ce qui concerne l'éducation, effectivement, ne serait-ce que pour l'intention, mhm. euh, les actions qu'il qu'il est en train de poser, rassurer les partenaires, en tout cas du monde de, de, l'école. Le dialogue, effectivement, dont on parle, c'est quand même une vertu qu'on peut lui reconnaître, effectivement, dans sa façon de travailler, dans tous les secteurs, en tout cas, on sent un effort de, dialogue avec, euh, avec, avec les partenaires. Euh, maintenant, moi, à mon humble avis, c'est que là où je pense qu'il y a un goût un peu d'inachevé, en tout cas une certaine euh, déception, mhm. c'est en matière de la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption et l'impunité. Mhm. tout simplement, quand on regarde un certain nombre des dossiers qu'il a hérités et certains dossiers même euh, qui ont été levés, comme on dit, sous son magistère. Mhm. On a comme l'impression il y a un traitement de complaisance euh, que, en fait, en vérité, euh, quand je considère l'affaire Ibu par exemple, Ibu oui, il est en prison. Il y a quelques cadres du ministère de, de, des Finances qui sont en prison. Mhm. J'ai suivi le président sur la je veux se délecter un peu de sa prouesse qu'il y a une trentaine de gens qui sont... Mhm, Mais mhm. Euh, au niveau de l'opinion publique, les gens pensent que c'est devenu frétin. Mhm. Iboukara Gane, qui est un, fonctionnaire au service transport de la présidence de la République, comment est-ce qu'il peut être amené à, détenir 8 milliards Ça, c'est le président de la République qui a annoncé à l'opinion qu'il a détenu 8 milliards à travers des, des PSOP et des LAP et un système, donc une procédure qui ne peut pas ne pas avoir la caution des patrons du ministère des Finances. Mm. On se pose la question quel rôle euh, aurait joué euh, l'ancien ministre des Finances, euh, le ministre actuel dire, ne doit pas être seul, qui était à l'époque directeur du ministre, de du Budget. Donc, vous voyez, à Mohamedou a... Souleymane, s'il s'avère par exemple que des présumés délinquants de ces finances publiques euh, sont du parti, quel intérêt le président de la République doit avoir en ne regardant pas cet aspect Mais là, je te ramène à son discours. C'est lui qui a dans son discours d'investiture que. Mhm quelle que soit la personne, ton parti politique, ta famille politique, absolument. Et nous a fait croire qu'effectivement le pays d'abord. Mhm. D'abord le pays. Autrement dit, qui que tu sois, tu sois du PNDS, du Jamhouria, du MNSD, mhm. si tu arrives, c'est ce qu'il a dit. Mhm. Quand il dit son comportement euh, l'amène à une certaine mesure coercitive, il n'y a pas de pitié. Mhm. Autrement dit, c'est tolérance zéro. Mhm. Mais dans la réalité, quand j'ai dit il y a des dossiers que nous pouvons citer. Euh, Merci, on a euh, bien compris. Donc, euh, le président doit accélérer de ce point de vue. Autant, autant, du, autant mhm. bilan, donc on demande au président, il est très attendu sur ce terrain, la, la lutte contre la corruption et l'impunité. Par conséquent, après cette année, on attend véritablement qu'il se réussisse, en tout cas, pour dire que l'attente est forte et par conséquent, ce qu'on a vu n'est pas à mhm. rassurer les, Merci beaucoup. Hussein Issa, il a insisté euh, sur l'aspect impunité. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut pour que le président arrive euh, justement à faire donc euh, vite bouger les lignes Moi, je pense que hein, moi, les gens, quand ils posent le problème, qu'est-ce qui bloque Moi, j'ai dit à partir du moment où c'est lui le magistrat suprême. Mhm. Vous savez, quand on veut lutter contre ce genre de choses-là, il est très facile. Hein. Il est très facile parce que je suis d'accord avec ce que je vient de dire c'est qu'il a dit clairement, quel que vous soyez, mhm. quelle que soit la position que vous occupez, quand vous êtes trempé dans des choses comme ça, il n'y a pas de doute, vous allez goûter à ce que c'est la prison. Mais effectivement, et là, on a comme l'impression que c'est la continuité. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Hein. Bon, c'est l'affaire emblématique. Il en parle. Même la dernière fois, effectivement, il en a parlé. Mais il y a d'autres affaires. C'est une question de volonté. Parce mhm. qu'aujourd'hui, il pose ce tact-là. Il fait, comment dirais-je, on, prend n'importe qui. Les gens vont acclamer. Mhm. Parce que les gens ont le sentiment que dans des dossiers comme ça, on soustrait certains. Mhm. On se contente des munis frétins. C'est à quoi on a assisté pendant pratiquement les dix dernières années dans des dossiers où on constate que c'est juste quelques minutes on prend les gros morceaux, les gros poissons sont là, on ne les inquiète pas. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Et moi, j'ai dit, il est capable, en tout cas, celui, il peut le faire, quelles que soient par ailleurs les pressions. Quelle pression vous avez pris l'engagement vis-à-vis d'un peuple. Vous n'avez mhm. pas pris l'engagement au nom d'un parti politique, vis-à-vis d'une mhm. alliance ou ceci, cela. Mhm. C'est au nom du peuple. Le peuple au-dessus de l'alliance, le peuple au-dessus des partis. Il faut travailler. Vous êtes là pour travailler au nom du peuple. Vous n'avez pas à protéger qui qu'il soit. Il a pris la responsabilité, ou du moins, il a dit qu'il peut assumer telle responsabilité au cas où, dans l'accomplissement de cette responsabilité, il pose des impairs il faut qu'ils rendent gorge comme n'importe quelle autre personne parce que c'est ça qui construit une nation. Merci beaucoup. Imaginez, non, je vais faire une petite. Non, parce que c'est quoi mhm. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont pu échapper dans des dossiers, mhm. ils sont là couchés, mais un jour ou l'autre, je prends juste ce qui de se produire au Burkina Faso. Mm 35 ans d'attente, voilà, des gens l'histoire les a rattrapés. Mhm. C'est ça, moi, j'ai dit, il faut, et c'est là l'histoire va retenir que vous mhm. avez été un bon président, vous avez été un président juste, vous avez accompli, en tout cas, ce qu'on attend de vous. Mhm. Mais si vous voulez faire les deux poids, deux mesures, ça, d'avance, d'avance, parce que ça va continuer et vous, aurez des difficultés par la suite pour vous libérer. Merci beaucoup. Le président de la République doit donc euh, multiplier ses actions dans le cadre de la lutte contre euh, l'impunité. Il doit frapper. <laughs> Il doit frapper. Il doit faire en sorte que la justice frappe, puisque souvent on dit que c'est la justice. Non, non mais, le plus souvent, c'est qu'il y a des implications dans les dossiers. C'est tout à fait. Merci beaucoup. C'est ça la difficulté. Merci. L'immixtion surtout du politique. Oui, c'est ça. Nous passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Selon le président du Parlement, nous Mongo, parmi les différents points qui seront à l'ordre du jour figurent notamment une révision de la Constitution et du Code de procédure pénale, ainsi que l'examen du Code minier nigérien. Ousmane Sidikou, quels sont les enjeux de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 les enjeux ils sont les mêmes, hein, bien qu'ils restent multiples et multiformes. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu euh, en suivant l'allocution du président de l'institution, euh, là où il dit euh, vraiment, il va exhorter, les adhérents, exhorter les différentes euh, commissions à établir un planning pour aller sur le terrain, aller à l'encontre vraiment des populations. C'est vraiment, ce serait une bonne chose, mais elle le serait davantage si cela arrivait à se matérialiser. Il ne faudrait pas que, pour répondre à un souci de respect du planning, que ces députés-là euh, pense être en villégiature en allant pour ne même pas rencontrer les populations et mhm. d'ailleurs surtout les, les Moi, je pense que il faudrait que euh, la rupture constatée là, il faut que ces élus-là mhm. renouent le contact, le dialogue avec le peuple. Parce que en ce moment, les défis sont là, les défis sécuritaires, les défis euh, alimentaires. Vraiment, moi, je pense qu'il faudrait que, euh, au-delà des mots, au-delà des, annonces, mhm. il faudrait que ces élus-là revoient leur copie. C'est bien beau de vouloir établir un planning, c'est bien beau d'exhorter les différentes commissions parlementaires à aller, mais il faudrait que véritablement qu'on sente que les mhm. populations surtout là, le peuple, ceux pour qui ils pensent être là-bas à l'hémicycle, sentent que vraiment euh, leurs aspirations, leurs préoccupations euh, sont euh, entendues et qu'elles ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Voilà ce que moi je peux retenir pour mhm. l'essentiel quant à l'ouverture de cette session. Mhm. Alors, j'ai Mohamed Souleymane par rapport à la modification de la Constitution, il faut rappeler qu'il s'agit de son article premier où il est dit que l'hymne de la République du Niger est la nigérienne. On se rappelle en effet que le 24 mars, euh, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant la constitution du Niger. Le gouvernement a estimé que, nonobstant toutes les valeurs d'attachement à l'identité nationale et à la paix de la Nigérienne, force est de déplorer certaines insuffisances, en particulier le paternalisme. Et pour combler ces lacunes, plusieurs tentatives de relecture de l'hymne national ont été amorcées qui ont abouti à l'adoption d'un nouveau texte euh, et d'une nouvelle mélodie, le tout consacrant ce qu'on peut appeler, selon le gouvernement, l'honneur de la patrie, qui sera donc euh, désormais l'hymne de la République euh, si c'est adopté, si l'Assemblée accepte bien évidemment. Donc, euh, les Nigériens sont-ils favorables euh, à ce changement euh, de cet important attribut de la République que constitue l'hymne national Je crois que vous l'avez dit, c'est quand même suffisamment motivé. On se souvient, il y avait un comité qui a travaillé et ce comité était composé absolument mm. de personnalités, en tout cas qu'on pense ne peuvent pas ne pas mettre en avant l'intérêt mm-hmm. l'intérêt général. Euh, donc, effectivement, quand j'ai dit c'est motivé, euh, justement, si l'actuel hymne national euh, a tendance véritablement à ne pas mettre en avant les, valeurs vraiment patriotiques, mhm. effectivement, le c'est ça aussi la vie d'un peuple. À un certain moment, il va falloir se dire que euh, de revoir euh, certaines choses euh, pour, pour l'améliorer. Je pense que c'est. Le gouvernement, par exemple, parlait de paternalisme. On dit que c'est un hymne dans lequel le Niger exprime sa reconnaissance. Octroyé, on absolument. On, des donc, ici, le nom de la patrie, je pense qu'on mhm. on, sent clairement que il y a une volonté de rupture, en tout cas, avec la vision de, de l'hymne, donc, a été euh, donc euh, utilisé par, le, par le colon absolument euh, mhm. donc imposé donc on voudrait mettre en avant vraiment les, les valeurs Ça, de ce point de vue, seulement la question moi, que je me pose, est-ce que la modification de la Constitution ne vise que ce, cet aspect. C'est ce qui a été dit en fait en Conseil des ministres le 24 mars. Mais il y a, peut-être qu'il y, aura autre chose. Il y a, je crois, d'autres choses assez aussi intéressantes sur mhm. cette session. Euh, donc on parle effectivement, il y a une euh, je crois, volonté de, faire de créer un Sénat euh, au Niger. Est-ce que c'est à l'occasion de cette session que ce, mhm. débat va se faire euh, lieu Là aussi, il faut modifier la Constitution. Mhm. Est-ce qu'il y a déjà le projet de loi adopté par le gouvernement je, ne sais pas, on va le savoir. Il y a aussi notre mhm. élément. Peut-être ça peut être fait dans le courant même de la session, parce que la session dure 90 ah, jours. Hein. On en parle en tout cas. Dit, le gouvernement peut adopter un projet de loi et l'envoyer immédiatement. Il y, a, en tout cas des rumeurs dans ce sens il y a aussi le grand débat attendu, mhm. le déploiement des Barkhane et Takuba euh, au Niger. Mhm. Et ça se fera effectivement sous cette euh, session. Mhm. Euh, donc, vous voyez, c'est des choses d'intérêt vraiment Beaucoup, beaucoup, d'enjeux. Donc, où, si le débat devait se faire, donc, on va voir la position des, uns et des autres. Parce que je pense qu'à l'époque, quand le, le président de la République avait fait la conférence des cadres, c'était parce qu'il y avait une polémique euh, réelle. Mhm. Même quand il avait euh, intervenu, la polémique ne s'est pas estompée. Donc maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, certes, on ne se fait aucune illusion. Mhm. Euh, c'est-à-dire qu'il y aura un jeu de la majorité. C'est-à-dire que si effectivement la majorité voudrait faire passer cela, donc au niveau du vote, ils vont, mhm. vont le faire. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est la forme, à savoir qu'il il va falloir que l'Assemblée donne son assentiment, mais avec des garde-fous. Mhm. Autrement dit, si c'est examiné à l'Assemblée, je pense que les points de vue de tous les députés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, doivent être pris en compte pour tout simplement défendre l'intérêt du Niger. Mhm. Parce que tout simplement, en réalité, euh, ce n'est pas euh, leur présence qui est mais c'est dans quelles conditions on va les Et pour combien de temps mhm. Quelles sont en fait, les conditions posées pour que ça puisse être vraiment servir l'intérêt de notre pays. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je pense que l'intérêt, même si les avis de députés de l'opposition euh, ne vont pas primer, mais je pense que dans la forme finale, il va falloir tenir compte de tous les aspects, en tout cas, pour éviter, parce que voir le soir, effectivement, euh, si jamais euh, on, on, trouve une situation inconfortable, euh, l'histoire va, va, rattraper. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'intérêt. Au moins, quand même, passer à mhm. l'Assemblée nationale, mhm. se donner en tout cas une forme légale à la chose. Donc, on s'attend, en tout cas, on va suivre certainement ce débat à l'occasion de mhm. cette, session. Ça va se passer, euh, je pense, ça. ça doit être parmi, je crois, le, dossier. Euh, bientôt, on sera certainement, avec la conférence des présidents, donc, c'est lors de l'agenda, en tout cas, du, Parlement. Donc, mais je pense que selon certaines informations, c'est des sujets qui vont être débattus mhm. à l'occasion de cette session. Il faut rappeler que par rapport à la révision de la Constitution, les articles qui en parlent sont les articles 173, 174 et 175 de la Constitution où il est indiqué titre Révision de la Constitution. Certainement qu'il faut lire donc ces dispositions pour mieux comprendre, encore que certainement les débats qu'on aura dans les jours à venir nous édifieront davantage. Hussein ça que faut-il attendre des représentants de la nation par rapport à tous ces projets et propositions de loi qu'ils auront à examiner durant cette session On a vu que les questions sont cruciales et c'est des choses qui concernent directement la vie de la nation. Le problème dans ce pays, c'est que eh, au niveau du Parlement, on a comme l'impression que eh, le dispositif qui dit que tout mandat impératif est nul, là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les députés ne votent pas selon leurs convictions, c'est ce que pas vous pensez en fonction des convictions que les gens mhm. votent, les gens votent en fonction de mon camp politique. Mhm. Et c'est ça qui est dramatique. Je trouve dramatique parce qu'il faut voir d'abord le pays. Mm. Parce que ton camp politique n'est pas au-dessus du pays. Malheureusement, c'est à, ce jeu qu'on assiste. Mm-hmm. Souvent, il n'y a même pas de débat. Ou bien, carrément, on pense que, voilà, nous, nous sommes majoritaires, voilà, quel que soit par ailleurs l'enjeu ou les enjeux. Et c'est ça qui biaise ce pays et c'est ça qui fait mal à ce pays. Parce que représentant du peuple suppose quoi D'abord, on dit député national, on ne dit pas député de telle localité. On dit député qui représente tout le Niger. Quand c'est des intérêts du Niger qui sont en jeu, il faut savoir discerner avant de donner ton aval ou du moins c'est comme avait dit. ça est-ce à dire qu'il y a des députés qui ont peur de donner leur point de vue lorsque le vote n'est pas secret parce qu'il y a des votes qui se font à main levée non, Moi, j'ai dit, quel que mhm. soit peuple de qui, mhm. Dans tous les cas, je n'exerce qu'un mandat. C'est le peuple qui m'a donné ce pouvoir-là, d'aller exercer des défenses. Vous dites bien qu'il y a un clanisme politique ou le député. C'est à l'ignorance. Mhm. Et regardez les débats dans les pays occidentaux où des gens se lèvent, ils sont députés de tel bord, mais ils ne sont mhm. pas d'accord avec le projet de loi, ils vont combattre ça. Mhm. Ici, on n'est pas dans ce schéma, parce que tout simplement, on a affaire à des gens où le plus souvent, ils considèrent que, bon, c'est mon parti, c'est mon camp politique, il faut que je vote. Même si je ne cherche même pas à savoir. Parce que ce qui est dramatique dans ce pays, vous savez, les projets de loi, quand on les donne, on les distribue pour que les députés puissent les étudier voir un peu les comptes. Mais malheureusement, il y en a qui ne prennent même pas le soin de regarder ce que ça contient. Ils viennent simplement, ils s'assoient, ils sont là jusqu'à la fin, on dit il faut voter, ils lèvent la main. Hum. On vote pour. C'est dramatique parce que ce que vous posez là comme acte, ça engage le pays. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne sais pas... Quel appel faut-il alors lancer il faut qu'ils prennent conscience à ces députés que, Regardez, Suleiman vient de dire quelque chose. C'est un projet de texte qui va être soumis par rapport à l'implantation de Barkhane et de ces forces-là. Justement, par rapport à Barkhane, on dira désormais c'est l'Assemblée nationale qui a accepté. C'est tout un problème. Mhm. Ce n'est pas comme ça. Le, le jour où vous allez leur dire de s'en aller, c'est pas ils vont plier bagages. On a vu quand ils étaient là, quand Kounché a décidé, Kounché, c'était un régime, quand il est arrivé, il a collaboré avec eux en tant que chef d'état-major général, il leur a dit dégager. On a vu en Côte d'Ivoire, Bagbo a tout fait pour les chasser, ils ont réussi à quitter c'est pour ça qu'il faut s'entourer de beaucoup de précautions quand on est dans des choses comme ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'au niveau du Parlement, il y a ce débat-là qui s'est fait. Il n'y a pas ce débat. Je suis désolé de te le dire. Maintenant, concernant le, code minier, le code minier, je ne sais pas si qu'on va réviser dedans, mhm. mais ce que je vais dire simplement, le code minier même qui a été élaboré, je crois, c'était sous le mandat de Tanjak. C'était en 2006, mais alors, me semble. On avait un code minier. voilà ce code minier qui est là, qui doit être appliqué normalement. Le code minier, quand il s'est agi de reprendre les négociations avec Arriva en 2013, Arriva a dit qu'il y a des dispositions du code minier qui ne l'engagent pas. N'est-ce pas mais alors, ça sert à quoi hmm. de réviser si on ne peut pas l'imposer au partenaires La société avait même ah, demandé le respect de, la de, législation Mais le partenaire, vous venez, hmm. vous, cherchez des ailes, vous avez... Vous, ne venez pas parce que pour les beaux yeux des Nigériens... Hmm. La preuve, quand ils ont décidé de fermer la commune ils ont dit c'est fini. communac confirme ferme à partir de telle date. Voilà les conditions, voilà, on s'en va voilà les conditions. On va passer à autre chose. Ça veut dire qu'il faut que l'Assemblée joue pleinement son rôle. Bien évidemment. Puisque c'est une institution. Bien évidemment. Et c'est la deuxième après la présidence. C'est d'abord la première institution. Moi, à, mes yeux, c'est la première institution. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. on, a comme si l'impression, il y a deux pouvoirs qui sont dans une démocratie à mes yeux, qui sont des pouvoirs qui sont importants. Le judiciaire et, le législatif. Mhm. N'est-ce pas Parce que c'est ça les piliers de la démocratie. Mhm. L'exécutif n'est là que pour mettre en place des politiques publiques. Mhm. N'est-ce pas mais quand l'exécutif, quand le législatif et le judiciaire pensent que leur survie dépend de l'exécutif, c'est qu'on n'est plus en démocratie. C'est périlleux. C'est <laughs> périlleux. Et on est dans ce schéma-là, malheureusement, dans ce pays. On vous a bien compris, Oussé Merci beaucoup. Abordons enfin la dernière partie de ce forum de la presse du studio Kalangu. Dans un communiqué publié le 24 mars par le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Chat Niger, 361 personnes ont été forcées de se déplacer dans la région de Difa mi-février-mars pendant portant à 18 450 le nombre des personnes en déplacement forcé depuis le début de l'année 2022. Nous avons également, selon toujours une publication d'OCHA en date de fin mars, 17 677 personnes, soit environ 3034 ménages en majorité composés des retournés nigériens et des réfugiés maliens qui ont fui des localités donc, euh, de la République euh, du Mali pour euh, s'installer au Niger. On les trouve actuellement dans la région de Tilaberi et celle de Tawa. Ousmane coup quelle analyse par rapport à ces chiffres L'analyse, elle est toute simple, hein, Michel. Elle est préoccupante et assez alarmante. Donc, vraiment, il faudrait que les services compétents et les structures en charge de ces personne-là mettent toutes les dispositions pour que non seulement euh, ils ne se sentent pas euh, étrangers, ils ne se sentent pas marginalisés et en même temps créer les conditions à travers vraiment ne serait-ce qu'une sensibilisation euh, pour que les autochtones puissent les accepter tels. Déjà, ils viennent en nombre. Donc, euh, du coup, dans une situation, d'insécurité alimentaire, donc mm. il faudrait que vraiment toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait, eh ben, pour, pour, faciliter cette cohabitation entre eux et les autochtones et mm. qu'il y ait un partage équilibré et un accès équitable des, des, services euh, sociaux euh, de base. Généralement, là où le coach est biaisé, vous voyez, les organisations, ils mettent beaucoup plus dans les mêmes conditions, c'est déplacer, c'est retourner que les autochtones. Du du coup, il crée une situation de friction ou bien d'incompréhension entre eux et les autochtones. Donc c'est là où je dis qu'il faudrait que vraiment ils soient mis, aussi bien ces, se déplacés, ces retournés, tout comme les autochtones, qu'ils soient véritablement mis dans les conditions, surtout que euh, le contexte est assez particulier aussi, et dur, pénible. Mmh tant pour les autochtones que pour, pour ces gens-là. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait euh, vraiment une répartition, je dirais pas égale, mais assez équitable mhm. pour que euh, la cohabitation euh, ne puisse pas produire l'effet l'effet mhm. contraire. Et là, j'ai Mohamed Souleymane comment est-on arrivé là Puisqu'il arrive quand même qu'on entende très souvent que ces organisations terroristes sont affaiblies. Elles qui sèment cette terreur dans beaucoup de localités au niveau de la zone des trois frontières euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très compliqué et la situation va davantage compliquer. Parce que déjà, à partir donc, des données, euh, que ce soit données par OCHA ou bien même euh, euh, les services étatiques, la situation de cette année est très, très dangereuse. Euh, la conjonction de justement l'insécurité, la crise euh, euh, alimentaire risque d'avoir effectivement déjà une conséquence à l'État avant même qu'il y ait des déplacés de... donc hier, on a suivi le président de la République dans une communication sur la crise alimentaire montrer que les données même des partenaires, le l'OMS, ne sont pas réalistes, c'est-à-dire qu'elles sont en fait un peu euh, sous-estimer mhm. les, besoins. Donc, vous voyez euh, euh, déjà les conséquences de la, crise alimentaire avant même l'arrivée de ces, de, ces, de, ces, déplacés. la situation, on parle, on compare la situation de cette année aux années 2005-2012. Mhm. pour dire que les besoins, en tout cas en termes humanitaires, sont vraiment attendus et vous voyez un peu cette situation déjà de, de, flamber des pays mhm. euh, donc tout cela, la conjonction, cela veut dire que à l'arrivée, par exemple, c'est ça qui donne l'arrivée de ces 17 000 euh, mhm. quelques personnes du, mhm. venues du, Mali qui sont composées de retourner euh, Absolument. ça va, mais ça va venir, donc, réfugiés. Ça va venir déjà en fait donc alourdir les besoins déjà dans une situation où dans certaines zones, par exemple, l'accès à l'aide humanitaire est déjà compliqué, elle est compromise. Donc euh, tout cela, en tout cas, montre clairement que euh, la situation est assez complexe et euh, au niveau, j'ai entendu justement le... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum de la presse, puisque que, cette situation est, compliquée. déjà, je pense que, On craint d'autres déplacements. Le gouvernement a déjà quand même conçu un plan, un, plan d'urgence euh, où tous les partenaires ont fait des annonces. On ne euh, pense pas, par exemple, est-ce que la question reste à savoir euh, si ces déplacements sont prévus dans le plan d'urgence, dans la vente des céréales à prix modéré Les déplacements qui sont, qui arrivés juste récemment, ça n'a pas mhm. été programmé. Mhm. Par conséquent, c'est pourquoi j'ai dit que ça vient aggraver la situation déjà en fait compliquée. Mhm. Donc, c'est-à-dire que franchement, au niveau de ce plan d'urgence, davantage donc les partenaires doivent euh, il faut prendre en compte des nouveaux aspects. donc mhm. absolument davantage donc mettre mettre le moyen et aussi à l'État véritablement de prendre d'autres mesures euh, mhm. euh, en tout cas dans le sens effectivement à la situation parce que mhm. tout simplement on a vu comment on peut à partir du moment où parce qu'il y a ce que le président de la République c'est même d'ici la période de d'ici juillet août euh, la situation, le nombre de personnes qui vont être affectées par la crise alimentaire, alimentaire c'est inégalé par rapport aux, années euh, précédentes. Mmh. Donc, c'est-à-dire que déjà, en fait, euh, la situation qui est en train de se, se présenter, en tout cas pour, pour, notre pays d'ici mmh. quelques mois, elle est déjà compliquée. Et mmh. parce que fait, ça fait que commencé les, réfugiés du Mali, déjà vous savez, à, à l'époque, on avait plus de 200 000 euh, réfugiés, maliens. Mhm. donc si Donc, commences à venir, parce que effectivement, j'ai vu, selon les le, le, les données par OJA, c'est les conséquences donc de, de, conflit entre les, groupes armés. Et les Il parle même des de, de, signataires des, <laughs> des accords. des anciens accords, qui avaient été faits au Mali. Tout cela avec mm. Wagner qui est, qui, mm. là. Donc vous voyez, en tout cas, cela veut dire que c'est une menace. Il y a des gens qui ne, qui ne supportent plus euh, l'atrocité des combats. Et, déjà, comme, je l'ai dit, vous parlez de Atilaberi et Atilia. Mm-hmm. Là aussi, par exemple, on a précisé que dans ces zones-là, l'accès, l'aide humanitaire est comme donc cela va davantage venir envahir donc euh, chercher donc euh, à venir au niveau du centre euh, donc où il y a l'aide humanitaire. Mhm. Donc ça, va compliquer un peu un peu la situation. Donc tout simplement pour me pour me résumer, on ne peut que véritablement dire que eh, la situation elle est connue. Donc bon, l'État avec ou, ou, les partenaires, en tout cas, j'ai senti le président, c'était le cadre de l'UMOA qui a fait son, mhm. a fait son message. Mais c'était très alarmant. Euh, ça montre clairement que la situation est compliquée et véritablement, euh, lorsque au, parce que ce, donne des données vraiment réelles, il y a vraiment très bien travaillé, mhm. mais moi, ça, ça, paraît parce que quand se réfère à 2005, on sait vraiment ce qui s'était passé, donc euh, la situation en, 2005. donc, on pense que, franchement, la situation est grave. par conséquent, il faut des moyens, donc il faut tenir compte de cela euh, ah, donc, euh, ce n'est pas de, de, la spéculation. Euh, donc, on attend, on attend, on attend en tout cas le, que les partenaires puisqu'on chaque année c'est ce, mhm. on le fait. Donc il faut que l'État et les partenaires agissent le plus vite possible. Pour terminer, Nissa, vous convenez par rapport à ces déplacements massifs. Nous avons dans la région de d'Ifa les déplacés au niveau interne, mais également ces réfugiés qui quittent euh, la République du Mali à cause de cette atrocité des combats entre les forces euh, non étatiques et les forces armées maliennes. Ils sont partis tout ce dont ils ont besoin, une assistance mhm. accrue pour pouvoir rester jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour qu'ils mhm. puissent retourner chez eux. Mhm. Quel que soit le nombre de temps, le nombre de mois, d'années que ça va prendre, n'est-ce pas Parce que c'est tout un, quand on quitte chez soi, c'est qu'on a laissé beaucoup de choses derrière, on a laissé des tombes, on a laissé ceci, cela. On sait qu'est-ce qui les amène à quitter. C'est la violence, c'est les armes. Avant, on ne connaissait pas ça. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des, conflits qu'on ne comprend pas. au Mali, de l'autre côté, on ne sait pas qui c'est derrière tout ça, qui. Parce que, des gens s'élèvent, on, invente des mots, mm. djihadistes, comment on appelle, terroristes, des choses comme ça, qu'on ne connaissait pas. Alors, qu'on pose la question, comment on en est arrivé Il faut donc euh, secourir à travers des aides euh, humanitaires en attendant qu'on ait des trous. L'humanitaire, là, mm. c'est un business. Hein faut pas se faire d'illusions, c'est un business parce que les gens sont là. D'abord, ça crée des emplois, des gens qui vont venir, ça crée des mobilisations, des ressources pour venir soutenir. Mais en fin de compte, on reste dans l'assistanat à vie. Hmm. Il faut mettre fin à ces conflits-là. Il faut créer les conditions de développement local. N'est-ce pas hmm. C'est ça le plus important. Mais On n'est pas en train de réfléchir dans ce sens. On est plus en train de réfléchir comment mettre fin. Parce que c'est ça qui mène nos pays là en retard mettre fin au terrorisme dans toute la sous-région. Parce que même lorsqu'un pays est en paix, quand il y a un pays voisin qui ne l'est pas. attaquer, c'est du coup, <laughs> merci. Attaquer le mal à la racine, ça dit lutter contre le sous-développement, créer les conditions d'un développement endogène au niveau local jusqu'au niveau national pour que les gens se sentent qu'ils sont dans un pays qui les protège. Mhm. Mais quand on laisse les gens à l'abandon, qu'est-ce qui nourrit ce terrorisme-là, le djihadisme-là C'est un peu le sentiment d'abandon, des choses comme ça tout le monde, les analyses et tout et tout, ont montré que c'est ça qui alimente. C'est pas ailleurs, ils vont aller prendre, on va dire, c'est en Afghanistan, ils sont allés chercher des Il faut donc vaincre le mal à sa racine, comme on dit. Mais, les en attendant, il faut secourir ces personnes. Oui, mais, bien évidemment, c'est des citoyens. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter. Imagine l'année dernière, par exemple, dans la région de la Oui, oui, tout à fait. L'année dernière, par exemple, dans la région de Tilabéry, il y a beaucoup de chefs de ménage, de chefs de famille qui n'ont pas du tout cultivés, mmh. qui se trouve dans une situation. Est-ce que vous pensez que ça fait plaisir à quelqu'un qui a l'habitude d'engranger son mille dans son grenier de, et qui se retrouve en train d'attendre un bol de riz, un peu de sel pour manger, un, bidon d'huile qui ne peut même pas tenir une semaine avec. Imaginez si ce n'est pas par contrainte qui peut supporter ça. Il faut créer les conditions. Merci de pacification de ces régions-là. On ne connaissait pas. On ne sait pas c'est quoi qui est Les derrière ça. Les défis sont donc euh, <laughs> immenses. On vous a bien compris au ça. On ne pourra malheureusement pas continuer le débat puisque nous sommes euh, au terme du temps qui nous est accordé. Chers auditeurs, nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Talangou de ce vendredi 8 avril 2022. Nous disons merci à nos trois invités, Elhaji Mohamedou Souleyman, journaliste euh, au journal en ligne Niger Inter, Nissa, journaliste indépendant, et Ousmane Sidiko, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, euh, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji. L'équipe technique euh, est composée de Mustapha Ayouba et Saka. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.